le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Kwaratagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz, notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum d'Isidio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à l'enseignement et la vocation qu'a des enseignants du primaire et du secondaire. Avec nous pour développer ce sujet, Madame Amadou Maimouna Ibrahim, directrice de l'école primaire Yantala Ba 2. Madame Amadou Maimouna, bonsoir. Bonsoir, monsieur et Kalassi Kalilou, enseignant au CES Saga. Kalassi Kalilou, bonsoir. Euh, bonsoir. Depuis plus d'une décennie, les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont été principalement orientés vers l'amélioration du taux brut de la scolarisation. L'enseignement est un métier exigeant et noble qui permet de former les jeunes pour un meilleur avenir de la nation. Pour dispenser un cours, quel que soit le niveau, il faut normalement disposer de connaissances solides dans la discipline ou le niveau concerné et d'un certificat d'aptitude pédagogique, Madame Amadou Maimouna Ibrahim, comment êtes-vous arrivée dans l'enseignement Donc, euh, je, suis enseignante, je suis directrice de l'école Yantala à mais ça depuis 2015, sinon euh, pratiquement 14 ans sur le terrain, créé en mai. Donc, j'ai enseigné pendant 14 ans. J'ai commencé en 2002, donc je suis directrice depuis 2015. Ce qui m'a amené dans l'enseignement, c'est par vocation. Vraiment, c'est un métier que j'ai toujours aimé. Et ça, compte tenu de mes enseignants qui m'ont tenu et que j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, du CI au CM2, je dirais que j'ai eu des enseignants dévoués, donc qui m'ont donné vraiment des connaissances qui me servent encore toujours dans la vie. Est-ce que vous avez fait l'école normale Oui, j'ai fait l'école normale euh, Kaoussen de Tawa de 2001-2002. Donc, juste, c'était la première promotion à laquelle on avait commencé à faire un an à l'école normale. Sinon, avant, c'était deux ans. Donc, euh, j'ai fait partie de cette première promotion donc, euh, qui a commencé à faire un an à l'école normale. 2001-2002. Donc, j'ai commencé à enseigner en octobre 2002. C'était où votre euh, premier poste Mon premier poste, donc, c'est à l'école Kourfayawa d'Ottawa, la plus grande école de, la commune d'Ottawa en ce temps, parce qu'elle comptait 19 classes. Et avec euh, mon premier directeur était Idriss Medaji. Monsieur Idriss Medaji, qui est actuellement est député national au Niger. Comment est-ce que vous avez euh, abordé votre premier pas dans l'enseignement Bien, tout début est difficile donc, euh, je dirais que ce premier directeur avec lequel j'avais commencé à travailler m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup appris avec lui. C'était un peu difficile au début, mais après, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Parce que rien n'est plus important pour un enseignant que de se cultiver. Avec, euh, dès qu'on lit, on est à la lecture, la culture générale. Donc, dès qu'on s'y met, on n'aura plus de grandes difficultés dans ses prestations. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer pour y accéder les premières difficultés que j'avais à rencontrer dans ma première année, donc c'était vraiment dans l'enseignement du français à l'école primaire. Donc, euh, en ce temps-là, le problème est qu'on n'avait pas assez de manuels pour présenter la leçon. Donc, euh, il m'arrivait deux fois d'aller le trouver dans son bureau pour préparer la leçon avec lui, lui demander des questions. Et lui, il m'a beaucoup aidé avec des, des, documents. Donc, après, donc, je me suis dit que ah, le mieux serait de chercher ses propres documents et je me suis fait ma propre documentation. C'était le problème que j'avais commencé à avoir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout début est difficile. C'est ma première année. Et maintenant, comment enseigner cette matière J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais maintenant, c'est le, les manuels qui manquent. Heureusement, ces derniers temps, les leçons de français ne causent plus de problème parce que, avec euh, les nouveaux manuels, rédigé par l'INDRAP, je pense que les enseignants n'auront plus des difficultés à présenter leurs leçons de français, quel que soit le niveau qu'ils ont. Le début de tout est difficile. Comment étaient vos relations avec euh, vos supérieurs hiérarchiques Avec mes supérieurs hiérarchiques, je n'ai pas eu de grands problèmes avec eux parce que c'est ça l'avantage d'être à l'école normale. Parce que là, on enseigne tout. Il y a la morale professionnelle et la législation. Donc là, c'est là qu'on vous enseigne comment et la collaboration, disons, et comment s'y prendre, non seulement avec ses, collègues, maintenant avec ses supérieurs, mais aussi avec la société. On le voit aujourd'hui, beaucoup de femmes euh, s'absentent euh, le plus. Du coup, ça crée des problèmes et d'autres vendent euh, quelque chose aux élèves. Du coup, ça crée des conflits entre les enseignantes et leurs supérieurs. Vous n'avez pas eu ce genre de cas Non, non, non, j'ai pas eu ce genre de cas parce que normalement, en principe, un bon administrateur et un bon supérieur, chef, la première des choses, je suis une femme. J'ai été sur le terrain et j'ai vu tout ce qui se passe sur le terrain l'enseignante, tu viens à l'école pour enseigner et non pour faire du commerce. Tu n'as rien à vendre aux élèves. On ne t'a pas demandé ça. Mais malheureusement, il y a celles qui s'y mettent, elles cachent pour amener. Mais ça, là, ça a toujours été interdit. Ça a toujours été interdit. Et dans l'établissement du, règlement intérieur de l'école, on doit souligner ça. Pas de commerce à l'école, surtout. Il y a des vendeuses qui sont là pour ça des revendeuses disons qui sont là pour ça. Et les revendeuses là, on exige à ce que chacune d'elles ait un certificat médical. Donc il faut qu'elles fassent le COPA et un test, je sais pas, en tout cas ça se fait à, la mairie, donc il y a une, une direction. qui s'en occupe. Et encore, dans, dans chaque inspection, il y a un service de santé scolaire qui s'en occupe aussi. Donc, euh, il y a le côté santé, donc euh, dans les CSI, et mais aussi dans les inspections. Chaque inspection a un service santé scolaire. Donc, la maîtresse, tu n'as pas à venir vendre ta marchandise à l'école. Tu es là pour présenter tes leçons, tu présentes. Les 30 minutes de récréation que nous, nous prenons, ne nous appartiennent pas, mais plutôt aux élèves. Le temps là permet à l'enseignante de préparer sa classe avant le retour des élèves en classe. Mais malheureusement, on constate que beaucoup, c'est ce temps-là qu'elles utilisent pour vendre les produits. Malheureusement, nous, en tant que directeur, nous interdisons aux vendeuses d'amener certains produits. Par exemple, tels que, les apolos glacés pendant la période euh, froide et les mangas qui ne sont pas encore mûrs. Et les produits, généralement les produits chinois, parce qu'à un certain moment, ça a été interdit sur le marché, ça a été diffusé à la télé, qu'il y a des produits chinois que les enfants ne doivent pas consommer. Ça, on interdit ça. Nous l'avons toujours interdit. Et l'enfant qui vient très tôt le matin, en tant qu'enseignante ou bien une revendeuse, tu lui vends des Apollo glacés, sachant que son argent là, c'est juste pour euh, son petit déjeuner. C'est pas normal. Et tout ça là, on surveille. Et pour les revendeuses, chaque matin, on doit aller visiter, on doit aller vérifier ce qu'elles ont amené ce qu'elles ont amené comme produit. Parce que même le piment est interdit dans les écoles. Il faut qu'on vérifie donc euh, le plat, ce qu'elles ont amené, si c'est vraiment mangeable par les enfants, mais aussi l'hygiène de cet aliment donc qu'ils vont, vendre aux enfants. Donc tout ça, donc euh, ça ne doit pas être euh, l'activité d'une enseignante parce que toi tu es là pour, pour un objectif bien visé le temps, normalement, ton temps scolaire ne te permet pas de faire du commerce dans ton école. Et c'est d'ailleurs interdit. Kalassi Kalilou, expliquez-nous comment vous, vous êtes arrivé de l'enseignement. Oui, merci, Monsieur Mokhtar, de cette occasion que vous nous offrez de parler sur une question aussi importante et aussi stratégique que la question de l'éducation. Je dirais que je suis venu à l'enseignement par euh, pure coïncidence, parce qu'il faut le dire ainsi, hein, parce que l'homme propose il dispose, comme on dit. Nous, avons nos projets. Le, il y a aussi ce que Dieu trace pour nous. Mais ce qui me motive plus à faire cet enseignement-là, c'est l'esprit de partage. Parce que je me suis dit pendant un long moment que pour que nous puissions aller tous de l'avant, il faut que les connaissances qu'on arrive à acquérir, qu'on essaye de les partager avec ses frères. Donc voilà vraiment une des raisons qui me maintient toujours de l'enseignement, c'est ce partage-là de connaissances et cette envie vraiment de, de continuer pour que la société puisse aller de l'avant. Le peu de connaissances que j'ai eu à acquérir tant au niveau de l'université qu'au niveau de mon école professionnelle que j'ai fait par après, j'essaie vraiment de partager ces connaissances-là avec les petits frères, les petites sœurs et qui sont là avec nous. Donc vraiment c'est ce qui nous maintient. Mais la, la réponse précise, je ne l'ai pas. C'est comme je l'ai dit, c'est des choses qui relèvent de la contingence. Nous vivons et donc il y a des choses qui se passent sans qu'on ait une réelle emprise. Mais quand même sur le terrain, il y a des chose qui me motive à rester sur le terrain de l'enseignement, c'est comme je l'avais dit tout de suite, c'est vraiment le partage de connaissances. Parce que nous sommes convaincus que pour que pays e aille de l'avant, il faut que les fils et les filles arrivent à être modélés, arrivent à avoir euh, vraiment des modèles, arrivent à avoir suffisamment de connaissances permettant au pays e d'aller de l'avant cas, Kalilou, vous venez de parler de pire coïncidence. Pourquoi euh, cette coïncidence Quand je dis coïncidence, euh, c'est-à-dire quand j'étais au lycée, il faut le dire, je faisais partie de, ceux-là qui essayaient de dénoncer les, les J'étais un leader syndical. Et quand je dis coïncidence, c'est-à-dire étant leader syndical, déjà vous avez cette fougue et en même temps cette envie de, leader qui... Parce que pour être un ancien, il faut être un leader. Nous, nous sommes au, secondaire, nous, avons en face de nous des élèves de primaire, terminale, vous comprenez. Donc il faut avoir ce ce, leader, ce, leadership-là en soi. Donc, quand je dis coïncidence, c'est que je, je suis aussi animateur. Euh, en plus d'être SG, euh, je suis aussi animateur. Donc, du coup, quand je suis venu de l'enseignement, ça a été vraiment du, du tout cuit, parce que déjà j'avais des, des, des, prérequis me permettant de, de, partager les connaissances avec les frères. Quand je dis partager, parce que nous, contrairement à, ce que Madame la directrice font, qui sont à l'école primaire, qui font d'ailleurs le grand du travail, nous, déjà, c'est des enfants qui ont déjà les BABA que nous avons avec nous, des enfants de 6 lycée et autres. Donc, ils ont déjà les connaissances. Nous, nous essayons juste de leur apprendre à faire plus de raisonnement, un peu à les aider à mieux organiser leurs idées. Sinon, c'est pas quelque chose de nouveau que nous leur apprenons. Le travail est, fait pour, par les enseignants du primaire à qui je rends un hommage de passage. Vous, vous avez fait quelle formation à l'université Bonjour, moi, j'ai fait une double formation. D'abord, j'ai fait une formation en lettres à l'étranger, formation en lettres sortie d'une maîtrise. Après, j'ai fait une formation en communication pour le développement ici même à l'IFTEC. Nous sommes la première promotion de, communication pour le développement. comme, c'est comme je l'avais dit, nous sommes dans le domaine de l'enseignement, pas pour euh, pas pour faire ce que les autres font, les, nos, nos, nos, Madame, ce apprendre aux enfants comment lire, comment écrire, autres là. Nous, c'est des enfants qui sont déjà grands que nous avons. Donc, euh, nous essayons juste de les, comme je l'ai dit tout de suite, de leur apprendre, de, de les aider du moins, comment on a, de les aider à s'affirmer d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous les apprenons. C'est juste les aider à un peu à comprendre certaines choses et autres. C'est des sciences que nous apprenons pour être précis. Les techniques de dissertation, les techniques de discussion, les techniques de lecture, comment on, lit un texte. Voilà des choses que nous leur apprenons. Sinon, les, connaissances, ils sont déjà acquises à l'école primaire. Nous, nous essayons juste de, les, de, leur apprendre certaines sciences qui sont nouvelles, qui n'ont pas eu le temps de voir à l'école primaire. Kalassi Kalilou, est-ce que vous avez eu à surmonter euh, des difficultés Bon, dans la vue de, de, tout homme, il ne manque pas de difficultés. La difficulté première auquel moi, j'étais confronté étant recruté en tant que contractuel, c'était d'abord euh, le manque de matériel didactique et aussi le surcharge des classes. Quand je parle de matériel par exemple, nous, nous sommes des Nigériens. Nous devons enseigner la littérature nigérienne à nos enfants. Or, le constat qui se dégage, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre nigérienne sur le marché à fortiori dans nos bibliothèques. Des fois, il n'y a même pas de bibliothèque des écoles. Donc, du coup, quand vous devez travailler sur une, sur une œuvre intégrale, par exemple, si vous devez travailler sur Mamani y a un exemple, il n'y a pas l'œuvre sur le marché. Donc, du coup, ça crée. Eh, vous avez cherché à savoir pourquoi il n'y a pas l'œuvre sur le marché. Il n'y a pas l'œuvre sur le marché parce que c'est pas qu'il n'y a pas l'œuvre sur le marché. L'œuvre n'est pas suffisante. L'œuvre n'est pas, la quantité de l'œuvre n'est pas suffisante pour que tout le monde puisse, puisse s'en approprier. Donc, voilà la difficulté. Et la littérature elle n'est pas enseignée du tout par, dans le programme qu'on fait, on dit, oh, bon, là, il faut faire telle chose, telle chose. Mais de manière spécifique, même les conseils qui viennent avec nous, nous, ne nous, disent pas d'enseigner de manière, euh, comment on appelle, de manière clair et net qu'il faut mettre la, primauté sur la, littérature nigérienne. Les gens ont tendance à, enseigner à, nos enfants des choses qui sont complètement obsolètes. Quand je dis des choses complètement obsolètes, c'est des, des choses qui sont complètement dépassées, qu'on continue à enseigner. Or, nous sommes des Nigériens. Si nous devons apprendre la littérature à nos enfants, je pense que la première des choses à faire, c'est la littérature nigérienne. Tu trouves certainement quelques rares enseignants qui essayent de, toucher un peu à la littérature Même nous qui sommes les, leurs leur, leurs, nous n'avons pas, au moment où on était au lycée, on n'a pas été vraiment suffisamment orienté vers euh, pas orienté on n'avait pas une culture de la littérature nigérienne parce que la plupart des œuvres que nous avons eu à lire c'était des œuvres de, Cameroun de... Sénégal du Sénégal un peu du voilà du Congo et, et, puis du, du, du Zaire je dis du Zaire de, la Martinique et puis voilà les auteurs qu'on nous, nous les Boubahama et les, grands auteurs à mode idée, on en parle peu. C'est seulement les, quelques rares curieux qui arrivent à s'en procurer sur le marché, ils prennent et puis voilà. Kalasi Kalilou, vous venez là de le dire, vous avez euh, débuté votre carrière euh, d'enseignant par la contractualisation. La contractualisation de l'éducation nigérienne, est-ce un atout ou une faiblesse pour le système éducatif nigérien Bon, la contradiction pour. Euh, je vais me référer à une étude qui a été faite par le réseau Ouest, euh, le, réseau Ouest et Centre africain en recherche éducative. Ce réseau a fait carrément ressortir que la contamination constitue plutôt un handicap. C'est une faiblesse. D'abord, avant de venir à la contamination il faut un peu. Avant, la contamination n'a commencé qu'en 2003 avec ce qu'on appelle le programme décennal de l'éducation. Ça a commencé en 2003, mais avant la contamination il y avait eu ce qu'on appelle le volontariat, qui a commencé à la rentrée 98-99. Et ce volontaire, avant même ce volontaire, on avait connu des doubles flux, on avait connu des classes multigrades. Donc la somme de tout cela fait qu'aujourd'hui, d'abord, je voudrais vous préciser que pratiquement 80% des enseignants créés à main du système éducatif nigérien sont des enseignants contractuels. Mais ce système de contraction a, a, montré ses limites objectives. C'est-à-dire, pourquoi je a montré ses limites objectives Aujourd'hui, l'école est en panne. tout le monde le dit. On dit qu'il y a une baisse de niveau. Il y a une baisse de niveau parce que les acteurs qui sont les contractuels ne sont pas mis dans les conditions minimales pour travailler. À l'heure où je vous parle, il y a des contracteurs de, ce pays-là qui n'ont pas perçu encore leur salaire, leur pécule de 100 000 francs du secondaire. De quel mois Du mois passé. Nous sommes le 15 mai, nous sommes le, le, 16, le, 17, le 17 mai. Il y a des gens qui n'ont pas perçu leur mois du mois d'avril. Et même ceux de Niamey, c'est seulement hier qu'ils avaient reçu leur pécule. Et il a fallu une grande. Donc, vous voyez, tous ces facteurs-là font que les jeunes ne peuvent pas vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Non seulement il y a ce qu'on appelle le déphasage entre le profil et la matière enseignée, parce que beaucoup d'acteurs enseignants qui sont au niveau du secondaire, c'est des gens qui n'ont pas reçu de formation initiale, contrairement à, ceux qui enseignent à l'école primaire. Eux, quand tu fais sociologie, on estime que voilà, tu as fini toute l'université, on vient, tu vas venir enseigner français. Quand tu fais maths, on estime que tu aptes à venir à, enseigner euh, physique, et, la mathématique. Donc, du coup, c'est des gens qui viennent sur le terrain sans pour autant avoir une formation pédagogique initiale. Donc, c'est avec le temps que ces gens-là arrivent à un peu avoir l'expérience et ils les mettent à leur profit pour bien dispenser leurs cours. Mais sinon, en toute franchise, les enseignants du, secondaire manquent de formation pédagogique initiale. Et ça a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Kalasi Kalilou, comment aujourd'hui expliquer le maintien de la contractualisation le maintien de la concentration, je dirais que c'est plutôt lié à des options politiques. Mais il faut le dire, le président actuel, le président Mamadou avait dit qu'à l'horizon 2020, qu'il mettrait fin à la politique de comptabilisation. Or, à la lire où vont les choses, il n'y a pas de signe précurseur montrant qu'on pourrait mettre fin à la comptabilisation parce que on n'a plus recruté depuis 2014. Et même ceux qui ont été recrutés en 2014 n'ont pas été encore, comme on dit, n'ont pas, sont pas rentrés dans l'ordre administrativement ont le niveau de matricule, mais sur le, du point de vue financier, il n'y a, pas, eu grand-chose. Donc, même s'il doit y avoir recrutement des enseignants, il faut attendre 2019. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure que 80% des enseignants à en de ce pays-là sont des enseignants contractuels. La contraction, elle est due à des options politiques nationales et aussi à des injonctions internationales. Parce que, il faut le dire, 60% de notre budget de, l'éducation ne provient pas de chez nous. C'est pas nous qui, le Niger s'en occupe juste du, paiement des enseignants et puis voilà, de faire fonctionner l'administration, c'est tout. Mais sinon, en termes d'investissement, ça vient de l'étranger. Or, un pays ne peut pas se développer sans un, système éducatif assez fiable. Mais si nous devons tendre, continuer à tendre toujours la main à l'extérieur, je dirais que même d'ici 2050, on ne pourra jamais mettre fin à la, politique de contradiction. Madame Amadou Maïmouna Ibrahim, euh, comment vous arrivez à concilier la profession et la gestion de votre foyer Donc ça, euh, concilier mon foyer, ma profession et mon foyer n'a toujours pas été un problème pour moi, parce que tout est question d'organisation. Donc c'est une question d'organisation. Donc euh, le foyer, je m'en occupe. Donc le temps. Donc, il y a un temps pour le foie, il y a un temps pour euh, le, travail. Donc, le travail, c'est du lundi au vendredi. Donc, le week-end, donc, on peut tout préparer donc, avant de partir le lundi à l'école. Ce qui est difficile pour les femmes, c'est généralement les femmes qui ont des bébés. Donc quand on a un bébé, c'est là que c'est un peu difficile parce que et depuis un certain temps, le ministre avait remarqué qu'il y a des enseignantes qui amènent leur bébé à l'école, ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas aller avec euh, leur métier parce que l'enseignante ne peut pas quitter sa classe pour aller allaiter son enfant et revenir. Donc euh, ça a un impact négatif sur le temps scolaire. Donc tout ça, c'est une question d'organisation. Donc euh, une femme, euh, quand tu choisis d'être enseignante, tu dois t'organiser. Donc euh, s'organiser comment quand on a un bébé à allaiter quand on a un bébé à allaiter. Donc, il n'est jamais interdit d'allaiter son enfant. Là, il y a l'allaitement est mixte la, femme euh, fonctionnaire, donc la femme fonctionnaire, oui, la femme enseignante est obligée d'allaiter son enfant de, cette manière. Parce que le congé maternité, c'est juste trois mois et demi. Donc, euh, sept mois, 14 semaines avant, six semaines, semaines avant, huit semaines après. Donc, la personne n'a juste que la quarantaine. Ce qui, qui fait que la, la mère est obligée d'allaiter son enfant avec un autre lait qui est le lait artificiel. Donc euh, là, ça ne doit pas poser de problème. J'ai dit organisation. Pourquoi organisation Parce qu'on ne peut pas laisser son travail, on ne peut pas sacrifier les autres enfants pour son enfant. Madame, nous sommes dans un contexte où on parle d'allaitement maternel exclusif. Est-ce que les enseignantes peuvent le faire Non, ça c'est pas possible pour les enceintes. L'enceinte ne peut pas allaiter son enfant six mois. Bon, je sais pas. je pense qu'elle ne peut pas euh, allaiter son enfant six mois durant, euh, soit disant que c'est un, allaitement exclusif. Normalement, elle doit quitter chez elle à 7h30 pour retourner à midi. Donc, voyez-vous le temps ça fait pratiquement 4h30. Est-ce que l'enfant peut rester jusqu'à 4h30 sans boire, sans prendre son lait ou bien sans prendre de l'eau C'est pratiquement un problème. C'est pratiquement un problème. Donc autant aller vers l'allaitement artificiel. inclusif. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir euh, le temps pour ça Il y a un temps. Normalement, la femme qui allaite a 30 minutes d'allaitement. Mais est-ce que c'est suffisant c'est suffisant. Mais les 30 minutes là, elle doit, elle doit les rattraper. Donc, autant, je ne sais pas, si elle doit prendre ce qui est difficile, prendre ses élèves à 7h30, ce qui est difficile pour tout le monde, parce qu'elle, si elle peut venir à l'école à 7h30, prendre ses élèves à partir de 7h30, pour les élèves, ça ne serait pas facile. Si elle vient à 8h30, elle doit descendre à 12h30. Donc, les 30 minutes d'allaitement, là, elle doit les rattraper. Donc, le mieux serait d'aller vers ce que les gens de santé préconisent. Madame Amadou Maimouna Ibrahim, les différentes évaluations, tant à l'interne qu'à l'externe, font ressortir les niveaux extrêmement bas euh, des apprenants, euh, donc des élèves. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement ce qui ne marche pas, je pense que l'actuel ministre de l'enseignement primaire est en train de revoir ça. Parce que c'était quoi, c'est quoi, en fait, c'est quoi le problème? Les enfants, en grande partie, à plus de 90% des élèves ont des problèmes en lecture, en maths et en écriture. Je pense que la lecture est la clé même de, de l'apprentissage. L'enfant qui ne sait pas lire, même s'il écrit bien, il ne pourra pas apprendre ses leçons. Mais avec le programme d'urgence euh, installé, par, donc, euh, nous l'avons commencé, donc c'est même en cours, on n'a même pas fini, la région de Niamey toujours, elle doit finir le 10 juin. Donc, on sent que ça va. Maintenant, euh, dans la cour, on sent que les enfants sont motivés parce que là, ils sont en train d'apprendre ce qu'ils comprennent, si on peut le dire. On va de la lettre à la syllabe, au mot, puis à la phrase. Mais avant, avec l'ancien programme, le programme que, nous enseignons avant ce, ce, nouveau programme d'urgence, c'est de la phrase à la syllabe et ensuite on vient à la lettre à étudier. Donc ça a été inversé complètement. Ça a été complètement inversé cette fois-ci. Donc je sais pas, c'est la phase, euh, c'est juste en tout cas, ce qui est sûr, ça va continuer l'année prochaine. L'année prochaine, nous ont dit que ça va, s'étaler sur trois mois. Maintenant, comme c'est un peu serré, mais je dis que ce programme d'urgence, nous l'avons vraiment accueilli à bras ouverts. C'est une bonne chose pour le système. Hein. C'est une bonne chose pour le système éducatif parce que c'est un programme qui va du CP au CM2. La même chose est enseignée aux élèves du CP au CM2. Moi, présentement, chez moi, les élèves, donc qu'on dit, que nous appelons les enfants en situation de décrochage, ceux-là qui ne savent, un élève de CMD qui ne sait pas lire une seule phrase, on dit qu'il est en situation de décrochage. Mais avec ce nouveau programme-là qui a débuté, qui a juste, euh, qui est en cours pratiquement deux semaines maintenant, ça va parce que les enfants en situation de décrochage là, on sent que maintenant ça va, beaucoup arrivent à lire le mot, la phrase, et maintenant même l'écriture, y est. Même l'écriture y est. Parce que dans ce programme-là, ils ont ciblé des, chapitres des chapitres sur lesquels on doit revenir. Parce que maintenant, au CM2, nous sommes en fin de programme. Et c'est en ce temps-là qu'est arrivé le, nouveau programme d'urgence. Donc, il y avait des, chapitres que nous, avons, que nous sommes en train de réviser. Et ces chapitres-là, je dirais que c'est bien réfléchi parce que c'est quelque chose qui va les suivre jusqu'au collège les grands nombres, parce qu'au collège, on ne dira pas à l'élève de, venir lire, d'apprendre à un élève de lire un nombre de, de, 3 à, quatre 4 chiffres. Mais pourtant, maintenant, c'est sur ça que nous sommes en train de. C'est sur ça que nous sommes revenus. Parce que maintenant, du CP au CM2, il y a une planification bien faite que le ministère nous a envoyée. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et vraiment, je dis, dès la première semaine, nous avons remarqué un changement dans nos classes parce que rien qu'entendre les enfants crier, dire moi, madame, c'est réconfortant. Parce qu'avant, la maîtresse peut venir présenter son cours sans que peut-être elle le fera avec deux ou trois élèves, seulement ceux qui savent lire. Mais maintenant, un élève qui est jusqu'au CM2, même au CP, la lettre A, il la voit. Dès que la maîtresse dit il s'agit de quelle lettre ici, il s'agit de quelle lettre, les enfants se bousculent à répondre. Donc c'est vraiment un pas en avant. C'est un pas en avant, vraiment, c'est un pas en avant. Nous, nous l'avons, nous le saluons, nous, le saluons. ce programme-là, nous l'avons beaucoup salué et nous espérons que ça continue que ça soit continuel. Parce que, comme on nous l'avait expliqué, donc on attend toujours l'année prochaine, peut-être, même si le changement y a, en tout cas pas cette année, parce que cette année c'était venu un peu tard, si on peut le dire. Mais disent que l'année prochaine, ça va s'étaler sur trois mois, les le premier trimestre donc. Et l'enfant qui arrive vraiment à lire une phrase dès le premier trimestre, donc n'aura pas de difficulté à affronter le programme proprement dit. Au Niger, le décrochage professionnel enregistré chez les enseignants ces dernières années s'explique notamment par une faible qualité de la gestion des ressources humaines. L'absence de perspectives d'évolution professionnelle contribue à démotiver les enseignants qui sont nombreux à quitter à la première occasion l'enseignement considéré par eux comme un gagne-pain faute de mieux. L'amélioration urgente de la qualité des apprentissages et des acquisitions scolaires des élèves passe nécessairement nécessairement par une amélioration importante des conditions de recrutement, de développement et de maintien de leur métier des enseignants. Kalassi Kalilou, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la mauvaise qualité de l'enseignement au Niger La mauvaise qualité de l'enseignement au Niger est, peut être expliquée par plusieurs facteurs. D'abord, le, premier facteur, pour un, ça rejoint un peu la question précédente, c'est lié à la politique de contrariation. Ça c'est un facteur. Le second facteur, comme je l'ai dit lorsque vous m'avez demandé pourquoi j'avais choisi l'enseignement, j'ai vu les difficultés auxquelles j'ai... Vous avez rencontré... Oui, donc j'avais parlé de manque de matériel pédagogique et didactique. Ça, c'est un deuxième facteur qui fait qu'il n'y a pas de qualité d'enseignement. Le troisième facteur, c'est aussi les mouvements de grève des élèves et des enseignants. Ça, c'est extrêmement important de le dire parce que les gens ont fait un mois dans ce pays-là sans pour autant aller à l'école. Du fait des mouvements de grève des élèves, et des, notamment des élèves, cette année, pratiquement les enseignants n'ont pas fait de grève. L'année a été beaucoup agitée. L'année a été extrêmement agitée du fait de la non-satisfaction de la plateforme revendicative déposée par les élèves. Et le gouvernement leur avait fait des promesses Malheureusement, ces promesses-là n'ont pas été tenues compte tenu de certaines réalités que nous, nous ignorons peut-être. Et donc, l'autre facteur aussi qui explique la, mauvaise qualité de l'enseignement, c'est l'inadéquation entre la matière enseignée et le profil de, la personne. Et le, tout qui fait qu'il n'y a pas de qualité de l'enseignement, c'est que les programmes qui sont enseignés dans notre pays sont en déphasage avec nos priorités de développement. Et donc, je vous rappelle que nous, nous avons au Niger, il y a ce qu'on appelle le. D'abord, il faut le dire aussi, les, les, différentes réformes que le système éducatif nigérien a connues aussi a fait qu'il y, y, a moins de qualité au niveau de l'enseignement. Donc, en première réforme, il faut. Permettez-moi de faire un peu cet historique. Au lendemain des indépendances, les pays africains, sous l'impulsion de l'UNESCO, sont réunis à Addis Abeba en 1960 autour du thème de l'éducation. Donc, au cours de cette euh, rencontre, il avait été décidé à ce que chaque pays, chaque pays indépendant africain puisse allouer puisse allouer quelque chose de 6% de son budget à l'éducation. Comme ça, à l'horizon, en, deux décennies, en 1980, on allait trouver 80% de taux de couverture en, taux de couverture en primaire, 30% de taux de couverture en secondaire et 20% de taux de couverture au supérieur. Tenez-vous compte que 20 ans après cette rencontre d'Addis Abeba, c'est seulement deux pays qui avaient à approximativement atteint cette objectif, c'était le Gabon et le Congo. Nous, le Niger, pendant ces, ces 20 ans, on n'a investi que 12% de notre budget de l'éducation. Donc, après ce, facteur-là qui fait que les gens n'investissent pas, et aussi les autres réformes. Je vous, avais parlé de, parce qu'il faut le dire, quand Diori était venu au pouvoir, il voulait que l'école soit, comme il dit, les programmes d'enseignement devaient être réformés afin de les, adapter, de les orienter vers les impératifs du développement. Donc, il voulait que l'école puisse être un moteur de développement. Mais très malheureusement, à ce moment-là, n'avait pas les moyens de sa politique. Donc, il était obligé de faire recours, parce que la contradiction ne date pas d'aujourd'hui, hein, il faut le dire. C'est depuis 1960. On a dû faire recours à des Béninois, à des Sénégalais, à des Guinéens, qui beaucoup d'entre eux n'avaient pas le niveau, et qui sont venus enseigner au Niger. Et même faisant, quand il est venu, avec, ben, maintenant il faut passer avec les programmes d'ajustement structurel 1980, on a tenu une conférence à Zender pour décider du, des mécanismes par lesquels le système pouvait être financé. Et au sortir de la conférence de débat de Zender, c'est au, au sortir de cette conférence que on avait connu beaucoup de départs volontaires des enseignants. Donc, du coup, les enseignants chevronnés qui avaient d'expérience avaient quitté. Donc, madame avait fait cas de son directeur. Aujourd'hui, on ne trouve pas des enseignants. C'est pas tous les enseignants, tous les enseignants qui tombent sur des cas pareils. Parce que les chevronnés ont quitté. Vous l'avez dit vous-même, à la moindre occasion, les enseignants quittent. Parce qu'ils estiment que la métier d'enseignant n'est pas un métier d'avenir. N'est pas un métier d'avenir pour la simple et unique raison que nous sommes dans un monde corrompu où c'est le matérialisme qui domine. Or, quand vous essayez des métiers tels que l'enseignement, vous allez être vu comme étant quelqu'un de un déclassé social. Parce que ce que vous gagnez ne vous permet pas de faire face aux, besoins de la vie. Aux dépenses que la vie vous impose. Votre revenu est inférieur aux dépenses auxquelles vous devez faire face. Donc, du coup, quand vous êtes dans l'enseignement, vous êtes, dedans malgré vous aussi, je peux le dire, mais toujours il y a des gens qui le font vraiment avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Ça, il ne faut pas le, le, nier. Mais pour l'écrasante majorité, vraiment, c'est des gens qui le font parce que juste, il faut le faire en attendant de trouver mieux. C'est pourquoi vous allez trouver dans le corps de la police plus de 50% qui sont des enseignants, qui ont fait l'école normale et qui, à la moindre occasion, quittent pour aller faire le concours de la police et qui admettent. Et c'est les meilleurs qui admettent, d'après certains. Et malheureusement, l'État n'a pas mis en place un garde fou mhm. pouvant interdire à ce sujet-là. Quand vous embrassez le métier d'enseignant, que au moins, même si vous devez avoir une disponibilité, au moins que vous atteignez un certain nombre d'âge, au moins 4 ans, 5 ans, pour que vous puissiez quitter pour aller faire autre chose. Donc voilà les facteurs qui expliquent la mauvaise qualité. Et je dis bien, le facteur le plus important, c'est vraiment le déphasage entre ce que nous enseignons, nos programmes d'enseignement, et les besoins de notre pays. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut on veut des manœuvres, on veut des gens qui arrivent à, bricoler, à des choses, des gens qui arrivent à faire de l'électricité. Aujourd'hui, quand le conseil se fait un tour euh, en dehors de la ville de Gabelle, sur les chantiers, vous ne trouverez pas des Nigériens. C'est des Béninois, des, des, Ivoiriens. Voilà, donc c'est parce que le notre système éducatif a montré ses limites objectives. Le système n'a pas préparé les gens à ce genre de travail. Donc il faut, c'est l'occasion, de appelle appel en des autorités pour qu'on redynamise davantage l'enseignement professionnel. Kalassi Kalilou, avant l'enseignant du village, était remarqué envié, considéré, mais aujourd'hui, tout ça tend à disparaître. Est-ce que c'est une source d'inquiétude ou de préoccupation Moi, je dirais que c'est une source de les deux à la fois, une source d'inquiétude et aussi de préoccupation. Parce que si hier l'enseignant était le modèle que, auquel tout le monde euh, se réfère, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il est devenu la risée de tout le monde, la risée du village. Je l'ai dit, ça, fait partie de, des réalités que nous vivons. Nous sommes dans un monde dominé par le matérialisme. Il faut le dire. Et l'enseignant, les gens n'ont plus besoin de savoir. Ce n'est pas le savoir qui intéresse les gens aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le savoir. Les gens courent après l'argent, excusez-moi du terme. Donc l'enseignant, lui, n'a rien d'autre à proposer que son savoir. Donc si l'enseignant connaît cette, cette, euh, cette situation, c'est parce que les réalités sociales ont complètement changé. Donc on doit faire avec. Maintenant, quitte à ceux qui ont la responsabilité de ces enseignants-là de prendre les garde-fous pour que l'enseignant ne continue pas à être la réserve de tout le monde même si c'est un constat général, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des enseignants qui arrivent toujours à être vraiment pris comme étant des repères. Parce que c'est des gens qui, sont, qui se respectent, qui font très bien leur travail et qui essaient, qu'on le veuille ou pas, la place de l'enseignant jusqu'à la fin de temps, sa place va rester. donc le respect, on se l'impose. Certains arrivent à imposer ce respect-là. Madame Amadou Maimouna Ibrahim, aujourd'hui, qu'est-ce que vous enseignez aux élèves c'est un enseignement général parce qu'on enseigne tout. Le, maître de l'école primaire, comme l'a dit M. Kalassi, donc euh, il, enseigne tout, donc c'est un tout. On enseigne tout. Il y a les mathématiques, euh, le français, l'étude du milieu, donc euh, c'est un enseignement général. On enseigne tout. Avant, il y avait les châtiments corporels qui incitaient les élèves à mieux apprendre. Aujourd'hui, les châtiments corporels ont été carrément euh, mis euh, de côté. Est-ce que ce n'est pas un frein à l'apprentissage des élèves Bon, ça peut être un frein comme ça peut ne pas l'être. Donc les châtiments corporels ont été interdits en 1981 avec euh, les plaintes des parents, parce qu'à un certain moment, ce n'était pas vraiment des, des, des, des corrections, c'était vraiment, on dépassait les limites. Mais, comme l'a dit un psychologue, il dit que la cravache, c'est l'arme du défaillant. C'est l'arme du défaillant du moment où, quand l'enseignant maîtrise ce qu'il enseigne, la discipline est obligatoire, les enfants vont l'écouter. Mais un maître qui circule dans sa classe, il va, il revient sur son cahier avec les téléphones portables que nous avons maintenant et qui perturbent beaucoup, disons, d'ailleurs nos classes. Je parle des enseignants maintenant. Les enfants n'ont, pas le, port du, téléphone est interdit même au collège à plus forte raison au primaire. n'ont pas le port du téléphone. J'ai dit que quand le maître maîtrise le contenu, quand il y a la maîtrise, la discipline est obligatoire dans sa classe. Donc les élèves vont l'écouter, vont l'écouter avec attention. Mais un maître perturbé dans sa classe, qui va, qui revient, qui prend son téléphone, qui sort pour parler, est-ce que là, vous pensez qu'il y aura une euh, concentration des élèves Non. Mais un maître, le maître, le maître n'a pas besoin d'une cravache pour mettre de l'ordre dans sa classe. Madame Amadou Maimouna Ibrahim, avant, ce sont les meilleurs élèves qui sont orientés euh, dans les écoles normales, mais aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Est-ce que cela peut être l'une des causes de la dégradation du système éducatif nigérien Avant, comme vous l'avez dit, les meilleurs élèves sont orientés dans les écoles normales. Même si la personne est meilleure, c'est la vocation. Il suffit d'avoir la vocation. On peut tout savoir, tout connaître sur ce qu'on doit enseigner, mais tant qu'on n'a pas cette vocation de le faire, on ne le fera pas bien. Et après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la contractualisation de l'enseignement, je pense qu'après la contractualisation, là, beaucoup ont quitté l'université pour revenir au primaire. Et quelqu'un qui quitte l'université pour venir enseigner au primaire, on considère qu'il a, vraiment un bagage pour le faire. Mais tant qu'il n'a pas cette vocation, donc, euh, il lui est impossible de faire correctement son travail. Madame Amadou Maimouna Ibrahim, avant, les femmes ne s'intéressaient pas beaucoup à l'enseignement, mais aujourd'hui, elles sont les plus nombreuses dans la profession. Comment expliquer cet état de fait Cet état de fait, comme l'a dit euh, euh, Kalilou. il a dit, qu'à un certain moment, donc, euh, il dit que quand vous prenez la police maintenant, beaucoup ont quitté l'enseignement pour aller vers la police pour un problème vraiment crucial qui est là. Bon, c'est peut-être la cause parce que les femmes, une fois mariées, donc elles ne pourront pas se aller prendre un autre euh, rentrer dans un autre corps, si on peut le dire. Donc la police, la gendarmerie, la garde leur est interdit une fois après le, mariage. Euh, je pense que la gente féminine a toujours été plus nombreuse dans l'enseignement. Hein. Madame Amadou euh, Memouna Ibrahim, quelle appréciation faites-vous des différentes affectations opérées dans le secteur de l'éducation au Niger, notamment euh, le cas des femmes mariées Le cas des femmes mariées, à un certain moment, c'était par euh, peut-être, même s'il y a femmes mariées, en tout cas la première option pour la, première catégorie, ou bien la première cible, c'était les femmes divorcées divorcés. Les, et les femmes célibataires. Les femmes célibataires et les veuves. En tout cas, c'était les premières cibles. Après, donc, euh, par euh, manque, parce qu'à un certain moment, on a senti que, c'est quand vous prenez le cas de Niamey, il y a des classes où on dit qu'il y a plus de, 3 à 4 enseignantes dans la même classe. Alors que dans les périphéries, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je pense qu'un enseignant ou un fonctionnaire, qui qu'il soit, est appelé à servir son pays, où qu'il soit. Donc pour le mariage, bon, je pense que c'est une question de, de, de, de compréhension, d'entente entre le mari et la femme. En tout cas, la plupart, la plupart, ils ont tenu compte de ça. Celles qui ont des enfants, les malades. Donc, le ministre a bien dit qu'il va revoir leur cas. Parce qu'il y a des femmes très âgées qui ont été affectées et il a bien dit qu'il va revoir leur cas. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est un assainissement, donc euh, nous sommes obligés de de le prendre comme ça. Et c'est bien normal parce que consciemment, consciemment, on ne peut pas être à deux dans une classe ou à trois pendant que les autres sont en train de, chômer. Et c'est bien, nous l'avons accueilli, cette affectation, je dirais que ça a aussi apporté ses fruits parce que pratiquement maintenant dans la région de Niamey, il y a une seule, un seul enseignant par classe, un enseignant, une classe. C'était l'objectif d'ailleurs visé par le ministre, un enseignant, une classe. Je pense que à ce rythme, le travail, comme on le souhaite, sera vraiment un travail de, qualité. Parce que à deux dans la classe, généralement nous les femmes, on se met en temps. Donc, comme ils l'ont dit, ils ont l'habitude de le dire. Il y a d'autres qui abandonnent. Il y a d'autres qui ne viennent même pas. Il y a d'autres qui ne viennent même pas. C'est un problème. C'est un problème pour les enfants. Kalassi Kalilou, euh, proposez-nous euh, quelques pistes de solutions pour euh, une amélioration significative de la qualité de l'enseignement au Niger, rapidement. Non, donc, très rapidement, pour qu'il y ait une qualité de l'enseignement au Niger, je pense qu'il faut que les programmes d'enseignement soient réadaptés aux réalités socioculturelles du Niger. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que nous-mêmes, Nigériens, nous puissions penser notre système éducatif. Parce que le système que nous sommes en train d'enseigner, ce n'est pas un système que nous, Nigériens, avons pensé, même si par après, on a eu à mettre en place la Lausanne, le PD2 et le PCF qui est en vigueur aujourd'hui, la lettre éducative. Mais sinon, la, la, matière première euh, sur laquelle se fonde le système éducatif nigérien, c'est un arrêté du numéro 2576 du 22 août 1947, cadre AOF, l'Afrique occidentale française. C'est pour vous dire que le système que nous enseignons à nos enfants, c'est pas nous qui l'avons ah, engendré. C'est pas, c'est pas notre, c'est pas nous qui l'avons engendré. Donc c'est une imposition. C'est pour vous dire que nous continuons. C'est un prolongement de, la, loi Jules Ferrienne. C'est un prolongement de la colonisation et aujourd'hui du néocolon Donc il faudrait que nous ayons assez de courage pour penser nous-mêmes nigériens, notre système éducatif nigérien pour les Nigériens. Et l'autre aspect aussi, de faire en sorte que franchement l'enseignant, que l'État crée les connaissances et les moyens pour que l'enseignant ne puisse pas être pris comme étant la de la société il faut le mettre dans les conditions, il faut, il faut le respecter. Et puis, c'est la seule condition qui peut nous amener à la question de l'enseignement, à mon avis. Madame Amadou Memouna Ibrahim, proposez-nous quelques pistes de solutions. Comme, comme, vous l'avez comme il l'a dit donc, euh, tout à l'heure, et comme je l'ai dit aussi, avec euh, le programme d'urgence que nous avons maintenant, ce que nous souhaitons, ou bien nous, demandons au, au gouvernement, c'est de mettre les enseignants là dans leurs droits. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, comme ce qu'il a dit. Parce qu'avec le programme, je disais que nous l'avons beaucoup salué. Et c'est un programme qui doit s'étaler normalement sans interruption. Et quand il n'y a pas de pécule. C'est les grèves. C'est les grèves, les sittings et autres. Mais si nous, si nous prenons vraiment le programme d'urgence là, étalé, le temps sans interruption, je pense que ça va apporter, le programme va nous apporter, ça va apporter ses fruits et ce sera un pas verla. En conclusion, devant de tels résultats, la nécessité d'améliorer la qualité euh, des enseignants pour permettre aux jeunes de préparer leur avenir paraît une urgence absolue. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Madame Amadou Maimouna Ibrahima, directrice de l'école primaire Yantala Ba 2, et Kalassi Kalilou, enseignant au CES ABM. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme de Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.